nañu góorgóorlu it waxtaan ak suñu ay militants ak instance yi nga xam ni xëy na ñun en tant que responsable massification euh, am nañ fa kàddu ñu bàyyi xel affiche yi nga xam ni dañ koy defar daanaka te boo ko xoolee il faut nga xool bu baax pour ràññee logo bi pour xam ne affiche yu Pastef la parce que yenn saa yi nga gis ay ay affiche yoo xam ni dafay xaw a doy waar trop Euh, parti bi dafa am li ñuy wax identité corporative suñu ay affiche dafa war a nuroo suñu ay affiche suñu ay couleur ci war a nekk pas ay violet pas ay maron yenn saa yi ñu gis ko ay affiche yoo xam ne daanaka euh, taaruwul dara ngeen baal ma àq ci ni ma ko waxee euh, parce que suñu ay couleur boo leen ko xoolee fu fu ñu génneeg suñu ay lakos rek nit ñi dañuy xoolaat ndax daanaka suñu ay couleur dafa attractive mais yenn saa ñu gis ci ay affiche wala ay production visuelle yoo xam ne dafay dafay doy waar nañuy uniformiser nañuy respecter les couleurs l'identité corporative du parti du ku nekk da nga yeewu rek defar affiche dafa am ñuy gérer communication ñoo xam ni dañuy lëkkaloo ñi nga xam ni nous sommes le secrétaire national à la communication Nous ñooñu xam nañ wara ñu waree affiche dal moy charte graphique bi lan moy couleur yi naka lañ ko wara défé ñu bayyi ci xel ñu tout le temps rek di initiatives initiative isolée wala individuelle porter préjudice la dynamique du parti. ñun ñi nga militants passifs. dañoo war ñun en tant que membre. Nous, avons wu li devoir de militant mais nous le ko avec responsabilité Nous devons être objectif dañu exemplaires impartial dañu dans l'exécution de notre mission ba devons dañu assumer nos fonctions, fonction de manière objective et responsable et puis en tenant compte aussi euh, raisonnablement que possible des intérêts en présence décision yi nga xam ni ko ci conviction donc utilisation bu ñuy def également ci signe wala logo parti bi dafa respecter la ligne de conduite du parti dafa faut respecter les règles d'éthique yu nga xamante ni nii moom la parti bi tëral et que bu fekkee da ngay da ngay douter wala ngay laam-laamee lu la leerul ci couleur wala ni nga xam ne moom la parti bi di doxe balaa ngay sori wala ngay def loo xam ne méngoowul ak li gëm-gëmu parti bi euh, respecter hiérarchie bi nga consulter les instances du parti pour que ñu bañ a ñu bañ a ñu mën a respecter la ligne de conduite du parti c'est extrêmement important parce que ñun en tant que militant lu ñu def rek ci turu parti bi day engager l'honneur et la responsabilité du parti nañ ci bàyyi xel mes chers frères et sœurs euh, Pastef ci article 3 ci code de conduite du militant dafa wax ne militant bi dafa war am li ñuy wax la neutralité objective euh, jikko nag moom mm, bu bu defarul parti daf koy yàq te réew ay jikko moo koy defar balaa mu ko defar xëy na mu am ay nit yu jug taxaw pour defar ko te ñooñu dafa am melokaan bu ñu war am motax ñu né militant bi dafa wara de am preuve de neutralité et d'objectivité euh, ci kaw tay mu fekkee woon ay conflits c'est-à-dire ñun juguñu pour di faralanté nekkuñu ci instance yi parce que diw sama xarit la lamu wax lay wax lamu def lool lay def dañu wara and rek te yalla tax dañu wara and ànd te dëgg tax parce que loolu la ñuy jaay sénégalais yi loolu la ñuy woote donc dafa war a feeñ ci suñu ay jëf ci suñu ay relation dans le parti euh, ba tax na tey bu fekkee dafa am conflit bu am ci suñu biir parce que loolu mënul ñàkk bañ ak lamine ñoo dëkk te organisation bu amee rek contradiction foofu mu am yenn saay xol yi tàng yenn saay diw bëgg lii di keneen bëgg leneen te loolu moom mooy construire un parti mais nañu bàyyi xel ni à chaque fois on doit se retrouver sur l'essentiel et que nous baillons les accessoires parfois c'est basé sur des états d'âme et Sénégal ku am du ay comme biram di wax rek di jeter l'anathème sur l'autre donc ñun warul ñu dañu utiliser suñu capacité de manière appropriée au service du parti

les autres membres du parti euh, boobu dafay rejoindre euh, suñu valeur bi nga xam ne moom la wax la fraternité il faut que ñu yéenante jam, ñun ñi nga xam ne ñoo Pastef il faut que ñu bokk ndey ak nous ñun ñi nga xam parti bokk gëm-gëm bokk li nga xam ni moom la ñu bëgg pour le Sénégal loolu bu amul rek dañuy sonn mais y a ni changement dina mën am Sénégal parce que fi réew mi toll ak yermande suñu borom que rek laa yaakaar ni moo mën a soppi Sénégal donc encore une fois balaa ñuy yóotu jàmm ak sénégalais yi nañu am jàmm suñu biir ba noppi militant bi dafa war a acquitté wu ay am dans le respect des orientations yi nga xam ni le parti bi jël à travers les décisions prises par le copule et le président euh, yenn saa yi ci suñu biir kuréel muy cellule muy section wala coordination wala sax ci biir massification nationale yenn saa yi ci suñu ay biir réflexion wala ay xalaat ah du mën na bañ a d'accord wala Diédhiou mën na bañ a d'accord wala Amadou Ba mën na bañ a d'accord mais bu ñu demee ba euh, collège bi ne non lii la ñu décider loolu la ñuy def yow donte d'accord woon da nga war a pilier wu ci li nga xam ne moom la ñuy wax le secret de le le principe de la collégialité manam donte d'accord won mais majorité bi li lañ wax mais la wax yow loolu nga war a def te waroo wane benn yoon ne ba ñu koy xalaat d'accord ci woon il faut que ñu cultiver ce principe mais non waxoon naa ko man j'étais pas d'accord souvent dañ koy gis ci suñu ay commentaires mais loolu ça n'encourage pas li nga xam ne moom la wax le principe de la collégialité qui est extrêmement important des fois Aliou mën na juum sax wala Babacar juum Euh, mais ñun ñi nga xam ni ñoo bokk ak moom kuréel te ñu bokk lu ñu bëgg mais war nañ ko suturaal war nañ ko ormaal sàmm ko ba ëllëg xëy na dina am kersa sax def loolu parce que yàlla rek moo dul juum ñun ay doomu aadama lan des fois dans la dans en fait l'exécution de nos missions mën nañu def erreur mën nañu am ay fay mais nañu tegante loxo ku ne jàpp sa morom que ñu jéem a construire parce que loolu moo ñuy permettre que nous mën sur réussir le projet de société bi nga pour le Sénégal donc nous devons aussi manifester considération à l'égard de toutes les personnes yi nga xam ni lay interagir il faut que nous joxante cër dans l'exercice de nos fonctions il faut que nous joxante cër il faut qu'on fasse preuve de courtoisie il faut que nous déglante et ñu amee discrétion euh, à l'égard des personnes yi nga xamante ne nii am nañ ay relation ak ñoom dans le parti du lu ma wax ak diw rek dem wax ko keneen du lu ma wax ma wax ko keneen il faut que dans le cadre de l'exécution de notre mission que ñuy am li nga xam ni moom la ñuy euh, un protocole de confidentialité il faut que ñuy sàmmante suñu ay waxtaan ak euh, li nga xam ne xëy na parti bi ñi koy waxtaanee te waragul génn ñu téye ko ba bu mu génnam jot parce que am na ay nit wala ay instances yi nga xam ne ñoom ñoo habilité pour di génne yenn information yi il faut que ñu éviter di di wax ci médias yi publiquement te kenn joxuñu ndigal parce que on est dans un système organisé et on peut pas se permettre délibérément lu ñu neex ñu wax ko ci turu parti bi wala lu ñu neex ñu def ko ci turu parti bi dafa am hiérarchie am na ñu war a wax nañ leen bàyyi bu wax jotee ñu wax boo amee loo wax nga bàyyi ba dem réunion wala nga wéet ñi nga xam ni xëy na ñoom ñoo war a wax nga dee leen ko mais ñu bañ di agir yenn saa ñu gis ko ci yenn euh, kuréelu parti bi mais nañu leen ko yeggee na ñëpp xam ne euh, parti bi dafa am ay voix autorisée. mes chers frères et sœurs li ñuy xaar ci militant bi en terme de comportement mooy mu développer li nga xam moom la ñuy wax une collaboration.

mais gëw ni changement dina mën a am Sénégal parce que fi réew mi toll ak yërmande suñu borom Pastef rek laa yaakaar ni moo mën a soppi Sénégal donc encore une fois balaa ñuy yóotu jàmm ak sénégalais yi nañu am jàmm suñu biir ba noppi militant bi dafa war a acquitté wu ay devoir am dans le respect des orientations yi nga xam ni moom la parti bi jël à travers les décisions prises par le COPUL et le président euh, yenn saa yi ci suñu biir kuréel muy cellule muy section wala coordination wala sax ci biir massification nationale yenn saa yi ci suñu ay biir réflexion wala ay xalaat ah Tambédou mën na bañ a d'accord wala Diédhiou mën na bañ a d'accord wala Amadou Ba mën na bañ a d'accord mais bu ñu demee ba euh, collège bi ne non lii la ñu décider loolu la ñuy def yow donte d'accord woon da nga war a pilier wu ci li nga xam ne moom la ñuy wax le secret de le le principe de la collégialité manam donte d'accord mais majorité bi lii lañ wax mais la wax yow loolu nga war a def te waroo wane benn yoon ne ba ñu koy xalaat d'accord ci woon il faut que ñu cultiver ce principe mais non waxoon naa ko man j'étais pas d'accord souvent dañ koy gis ci suñu ay commentaires mais loolu ça n'encourage pas li nga xam ne moom la le principe de la collégialité qui est extrêmement important des fois Aliou mën na juum sax wala Babacar juum Euh, mais ñun ñi nga xam ni ñoo bokk ak moom kuréel te ñu bokk lu ñu bëgg mais war nañ ko suturaal war nañ ko ormaal sàmm ko ba ëllëg xëy na dina am kersa sax def loolu parce que yàlla rek moo dul juum ñun ay doomu aadama lan des fois dans la dans en fait dans l'exécution de nos missions mën nañu def erreur mën nañu am ay fay mais nañu tegante loxo ku ne jàpp sa morom que ñu jéem a construire parce que loolu nous ñuy permettre que nous mën sur réussir le projet de société bi nga pour le Sénégal donc nous devons aussi di manifester considération à l'égard de toutes les personnes yi nga xam ni lay interagir il faut que nous nous cër dans l'exercice de nos fonctions il faut que ñu il faut qu'on fasse preuve de courtoisie il faut que nous déglante et ñu amee discrétion euh, à l'égard des personnes yi nga xamante ne nii am nañ ay relation ak ñoom dans le parti du lu ma wax ak diw rek dem wax ko keneen du lu ma wax ma wax ko keneen il faut que dans le cadre de l'exécution de notre mission que ñuy am li nga xam ni moom wax euh, un protocole de confidentialité il faut que ñuy sàmmante suñu ay waxtaan ak li nga xam ne xëy na parti bi ñi koy waxtaanee te waragul génn ñu téye ko ba bu mu génnam jot parce que am na ay nit wala ay instances yi nga xam ne ñoom ñoo habilité pour di génne yenn information yi il faut que ñu éviter di di wax ci médias yi publiquement te kenn joxuñu ndigal parce que on est dans un système organisé et on peut pas se permettre délibérément lu ñu neex ñu wax ko ci turu parti bi wala lu ñu neex ñu def ko ci turu parti bi dafa am hiérarchie am na ñu war a wax nañ leen bàyyi bu wax jotee ñoo ñu wax boo amee loo wax nga bàyyi ba dem réunion wala nga wéet ak ñi nga xam ni xëy na ñoom ñoo war a wax nga dee leen ko mais ñu bañ di agir yenn saa yi ñu gis ko ci yenn euh, kuréelu parti bi mais nañu leen ko yeggee nañ ñëpp xam ne euh, parti bi dafa am ay voix autorisées.